le forum du studio le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam Il est 18h passé de 15 minutes à Niamey. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au rendez-vous hebdomadaire du Forum de la presse de Studio Kalangou, une émission qui réunit des journalistes pour analyser les principaux sujets de l'actualité de la semaine qui s'achève. Cette semaine, l'actualité a été marquée par la crise universitaire avec la grève de mois qu'observent les enseignants chercheurs et chercheurs du supérieur dans toutes les universités de Niamey et la réaction du ministère des enseignements supérieurs. L'opération Barkhane a annoncé dans un communiqué du 2 février l'envoi par la France de 600 soldats supplémentaires pour renforcer son effectif dans la zone des trois frontières au Sahel. On en parle dans quelques instants. Autre point qui sera abordé, le rapport de l'indice de perception de la corruption 2019 qui est connu depuis quelques semaines. Le Niger classé 120e sur 180 pays. Enfin, un mot de sport avec la proposition du président de la FIFA, Organiser la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, tous les quatre ans. Avec nous dans ce studio, nos confrères de la presse, El Haja Mohamedou Suleiman, il est directeur de la rédaction du journal en, ligne Niger Inter. Bonsoir. Bonsoir. Roufaï Dandoua, freelance, bonsoir à vous Roufaï. Bonsoir. Et nous attendons d'un moment à l'autre l'arrivée de notre concert Memouna Diado, journaliste à la radio et télévision Tambara, à la présentation fils Adam Sirfo. Chers invités, merci d'être venus. Nous débutons donc euh, cette euh, émission avec euh, la crise universitaire. En effet, les enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur sont en grève depuis le lundi 20 janvier dans toutes les universités du Niger et ce pour un mois. Une grève pour exiger la restauration des acquis démocratiques sur l'autonomie et les libertés académiques et le règlement de tous les droits statutaires. Face donc à la situation, le ministre des Enseignements supérieurs a démontré de son point de vue que cette grève était injustifiée. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter. Le SNEX ne réclame pas des arriérés de salaire parce que malgré tout, nous n'avons aucun arriéré de salaire dans aucune université toutes les revendications tournent autour des arriérés des droits statutaires. Et même là, je voudrais lever une équivoque. Nous n'avons aucun arriéré de 2016, même pas de 2017 ou de 2018. Mais nous avons par contre des arriérés de 2019. J'ai écrit à tous les recteurs pour me faire la situation précise des arriérés des droits statutaires. Les universités de Maradi, de Zender, de Difa, de Dosso, de Tilaberi, au 31 décembre 2019 n'ont aucun arriéré de droit statutaire. Par contre, à Niamey, nous avons 819 321 324 francs CFA d'arriéré de droit statutaire. À Tawa, nous avons 5 238 363. À Agadez, 29 975 261. C'était là le ministre des Enseignements supérieurs et aussitôt le syndicat national des enseignants chercheurs et chercheurs du supérieur a réagi via le studio Kalangu sur cette sortie médiatique du ministre des Enseignements supérieurs qu'il qualifie de non-événement. Je vous propose d'écouter le secrétaire général du SNEX à Nabaladari sortie. c'est une sortie truffée de contradictions. Au début, il dit le gouvernement ne va jamais négocier. À la conclusion, il dit le gouvernement va négocier. Par rapport aux droits statutaires, il n'a aucun arrêt, c'est faux. Le compte rendu est là de la rencontre du 24 de ce mois. Les arrêts antérieurs à 2019, l'État ne les a pas honorés à Niamey, à Tawa et à Agadez. Et ensuite, d'autres droits statutaires se sont ajoutés relativement à l'année 2019. Et ensuite, elle a fait allusion à un certain nombre des avantages. C'est des avantages qui existent dans toutes les universités du monde. C'est lié à la fonction de l'enseignant-chercheur qui est distribué en mission de recherche et en mission de transmission des savoirs. Et tous les fonctionnaires de l'État, en fonction du service qu'ils rendent à l'État, ont presque les mêmes avantages. Seulement, c'est une différence de degré. Je pense que l'opinion nationale n'est pas au courant. Donc, pour nous, la grève continue. Alors, euh, revenons dans ce studio après l'écoute de ces deux parties. Chers invités, je commence par vous, Elhaj Suleiman. Comment vous analysez la situation Que doit-on réellement comprendre de cette euh, crise universitaire euh, On se rend compte à bien écouter les protagonistes, à savoir le, ministère des tutelles, le ministère des enseignements secondaires et pardon, et le SG du syndicat donc des anciens chercheurs, on se rend compte que véritablement c'est un bras de fer. L'esprit n'est pas au dialogue. Euh, chacun donc veut tirer la couverture de, euh, en tout cas sur, sur celui. Donc bref, euh, mais nous en tout cas on a essayé de comprendre ce que j'ai compris. Il y a que ce soit des arrêts au-delà de 2019, le ministre a reconnu, il a dit le montant 854 millions je crois. Derrière des, droits statutaires. Donc, euh, il a proposé, je crois, un échéancier en février, En, mars. pour les Je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus, c'est leur droit. Le gouvernement doit honorer ses engagements. Mhm. Maintenant, l'autre aspect aussi qui n'est pas évoqué ici, c'est effectivement la loi. Il y a une loi, donc euh, et je pense que cela, le, le SNEX conteste justement le fait que désormais le gouvernement puisse nommer euh, les recteurs et les vice-recteurs en vertu de cette loi qui, est même désormais promulguée par le président de la, République. Mm. Donc, vous voyez là, je pense que euh, la posture qui consiste vraiment à faire du corporatisme, cest que euh, considérer que nous, on va en grève jusqu'à ce qu'on revoir euh, revoit la loi, je pense que euh, ça risque effectivement de, de, de, bloquer. Il va falloir euh, lâcher du lest de tous les, les, côtés. Par exemple, pourquoi ne pas maintenant considérer que où on règle les droits statutaires, un aspect vraiment financier, mhm, qu'on peut tout de suite. Maintenant, il y a justement de bonnes volontés. Nous, au niveau de républicain, on a fait un on travaille cette semaine, on est allé voir, la commission des droits de l'homme, le médiateur. En tout cas, on se rend compte que ces bonnes volontés sont là en train de vraiment d'œuvrer pour amener encore le gouvernement et le syndicat sur la table de négociation. Mhm. Donc, euh, je pense qu'il va falloir un peu euh, temporiser. Euh, quelle que soit la situation, le dialogue est le seul remède. On ne voudrait pas vraiment, comme dirait l'autre, apporter parce qu'en fait, l'argument du ministre, c'est que dans la sous-région, euh, il n'y a qu'au effectivement que le principe du, du euh, de l'action est consacré. Mhm. Le Sénat pense que nous sommes en démocratie. Si le pays est régi par la démocratie, il faut laisser que aussi au niveau de, de l'université, que les enseignants puissent euh, choisir euh, leur, leur, leur, en tout cas, dirigeant. Mhm. Mais véritablement, il appartient à, au gouvernement aussi d'assurer, en tout cas, euh, les, services au niveau du Maintenant, il n'y a pas certainement de Le ministre a dit clairement que le gouvernement entend appliquer cette mesure. Mhm. Maintenant, euh, euh, de mon point de vue, il appartient au Sinex. Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est une guerre d'usure. le gouvernement s'est accroché sur le fait qu'il va appliquer la loi. le Sinex a dit qu'effectivement, il faut qu'on revoie la loi. Donc, vous voyez que là, je pense que ce n'est pas une posture dialogique il va falloir que, en tout cas, d'un côté comme de l'autre, en tout cas, les gens puissent lâcher du lest pour qu'on puisse au moins s'entendre sur. Parce que ici, vraiment, quand on a introduit des étudiants, ils sont en train, ils sont vraiment dans une situation très très, euh, mhm. parce que c'est eux les victimes. Voilà, et justement, des négociations même ont été entreprises, la dernière étant celle du médiateur de la République cette tout, semaine. Tout à fait, tout à fait, ce que j'ai dit. Mhm. Il y a la commission des droits, de humains aussi qui est là en mhm. train de, donc de, en tout cas, faire œuvre utile pour effectivement qu'on puisse remonter cette crise. Parce que je pense que notre école et l'université, nous avons aujourd'hui des étudiants pour un cycle de 3 ans, 4 ans, qui sont dans leur 7e, 8e année. Autrement dit, c'est l'État qui perd de l'argent, mhm. c'est nos étudiants qui sont en train d'être retardés. Bref, je pense que euh, on ne peut que demander effectivement aux uns et aux autres, en tout cas, de revoir leur copie, pour qu'en tout cas, gouvernement et, qu'on puisse trouver vraiment un, vraiment un, accord, mhm. dans le sens vraiment que l'école fonctionne. Voilà. Trouver un accord, Roufaille, des négociations ont été entreprises, comme je le disais tout à l'heure, mais vraiment, on constate qu'elles sont vaines. Selon vous, est-ce que vraiment cette euh, crise est loin de, prendre fin oh, Merci, merci, Madame Nefissa. Et, <clears throat> oh, on se rend compte que malgré les bons offices de, de tous les sages de ce pays, il y a le médiateur, il y a euh, les commission des droits de, l'homme. Il, y, a presque tout le monde qui, s'y met. La dernière fois, on a parlé ici, on a mm-hmm. reparlé encore euh, plusieurs fois. On se rend compte que euh, ce n'est plus une priorité et presque de part et d'autre. Euh, on se rend compte aussi que ces 950 millions peut-être qui bloquent en termes de, de somme, puisque ici c'est 854 à Niamey, 25 millions à Agadez et 5 millions à Tawa. Donc on est à, 800, à 890 millions, on n'est même pas à 1 milliard. Mhm. Et moi je me dis que si concession on peut, il peut y avoir, même l'État peut, peut, faire cette concession pour payer les, 1 milliard. Mhm. Du côté du SNEX, on peut, euh, je comprends que ce n'est même pas une histoire d'argent, mhm. ce n'est pas, ce n'est autre chose que cette histoire d'élection de, directeur qui plombe tout parce que ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé, ça fait je crois deux ans qu'on est dans cette situation et, on n'est pas prêt de, sortir de l'auberge, comme mhm. on dit. Et aussi longtemps qu'on va continuer comme ça, je ne pense pas qu'on va trouver une solution aux grandes dames, malheureusement, des, étudiants, qui et, ne comprennent rien à rien. Eux-mêmes ont entamé, et on se rappelle ici, un processus de, pour concilier les deux parties, mais malheureusement, ça n'a pas abouti. Mhm, mhm. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer et personne ne, le sait parce que toutes les médiations ont eu lieu. Personne ne veut céder d'un état. La loi euh, a été appliquée, comme l'a dit Al-Hayy Suleiman, le président l'a promulguée est-ce qu'on va, est qu'on va la retirer juste pour faire plaisir aux anciens chercheurs Je ne pense pas. J'ai entendu et Nebula qui disait ah, y a, y a, une prime qu'on donne à toutes les universités du monde, une, <laughs> prime, de, recherche. Oui, on donne à toutes les universités du monde, on donne à tous les anciens chercheurs du monde, mais on donne aux chercheurs, mhm. à ceux qui font des recherches, à ceux qui apportent une plus-value dans un pays. Quelque part, je me dis que ces anciens chercheurs déjà, ils coûtent beaucoup à l'État, mhm. extrêmement beaucoup à l'État pendant que déjà ils sacrifient des générations d'étudiants. Euh, voilà, les étudiants, vraiment, ils sont toujours les premiers à subir les conséquences de cette euh, crise. Memouna Diado, journaliste à la radio et télévision Tambra, elle vient de nous prendre en cours. Euh, cette crise, qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette situation euh, merci Nafisa. Donc euh, cette crise, en fait, euh, je rejoins ce que déjà euh, mes prédécesseurs l'ont dit. En fait, c'est une crise qui ne devrait même pas avoir euh, lieu. Euh, entre le gouvernement et le SNEX aujourd'hui, quand on regarde, c'est non pas des négociations, mais en fait, ils sont en train de se tirer. Chacun tire de son côté, mhm. pensant que peut-être que la force est de mon côté en tant que le SNEX et la force de l'autre côté en tant que gouvernement. Mais je pense que aujourd'hui, si le SNEX est revenu dans cette situation de grève d'un mois, Mm. c'est parce que tout simplement euh, le gouvernement n'a pas pu respecter, honorer ses engagements vis-à-vis du SNEX quand on mm. sait qu'en 2018, le SNEX était revenu pour pouvoir euh, arranger les choses et euh, prolonger l'année au mm. niveau l'année académique au niveau donc de l'université pour sauver ce qui a sauvé. Et je pense que c'était la même loi. La loi là, c'est depuis 2017, le SNEX était derrière cette loi là mm-hmm. pour que le gouvernement change autrement cette loi parce qu'ils disent qu'ils ne sont pas d'accord. Et je pense que le gouvernement, il a dit ce qu'il a à dire parce qu'une loi, on ne peut pas également changer une loi. Parce que si aujourd'hui on accepte de changer la loi là pour les enseignants-chercheurs, il y aura d'autres aussi exigences des autres syndicats mhm, mhm. Euh, qui vont également demander la même chose. Donc ça serait un risque pour le gouvernement aujourd'hui de revenir par rapport à ça. Et je mhm. pense qu'aujourd'hui, avec les, les, négociations, les médiations qui se font autour donc euh, des deux bord, euh, à savoir le SNEX et le gouvernement. Je pense que peut-être qu'il y aura de, oui oui mhm. peut-être que euh, qui sait on peut s'attendre aussi à que ça aboutisse à quelque chose de positif. Mais tout ce que je pourrais dire en fait aujourd'hui, le SNEX pourrait à part à, véritablement mettre euh, peut-être en stand-by mhm. cette loi et continuer dans le sens donc de ces arriérés-là. Mm. Parce que le ministre avait promis que ces arriérés euh, seront épongés en deux phases. Donc, mm-hmm. si moi je suis le SNEX aujourd'hui, si je vais partir par exemple de cette corporation, je me dirais tout simplement que nous allons un peu estomper les choses pour voir si réellement, véritablement ce que le ministre a dit, ça sera fait oui ou non. Après peut-être continuer. On l'espère bien. Et donc, euh, autre aspect de ce, de ce débat, dans un communiqué en date du 2 février, l'opération l'opération Barkhane a annoncé un complément de 600 militaires en renfort au lieu de 220 initialement prévus pour lutter contre le terrorisme dans la région dite des trois frontières au Sahel. Et selon le communiqué, c'était une demande des dirigeants africains du G5 Sahel lors du sommet de Pau en France le 13 janvier dernier, ce qui portera à 5100 le nombre des militaires français déployés dans le Sahel. Et ces 600 hommes viendront pour renforcer les deux regroupements tactiques des et les groupements logistique et transmission, précise le communiqué. Ella Suleiman, que doit-on comprendre réellement de cette décision de la France euh, ben, Ma première observation, c'est qu'on se rend compte que véritablement la force Barkhane, euh, le chef d'État a demandé plus de Barkhane. Effectivement, il y a eu plus de Barkhane euh, <laughs> mathématiquement. le plus important, de mon point de vue, c'est que on voit vraiment la tendance inversée rapidement. parce que jusqu'ici, euh, vous voyez, la communication consiste chaque fois à faire des formalités. Mhm. C'est même cela qui a amené à quand la situation à se dégrader. On a laissé du temps aux terroristes. Ils se sont davantage préparés dans la connaissance du terrain, dans l'armement. Mhm. Ils se sont équipés parce qu'ils ont eu le temps pour le faire. Donc je pense que très de, de, de, de discussion, de on a besoin, après tout ce qui s'était dit, euh, l'opinion publique euh, euh, n'est pas du tout favorable. En, tout cas, les gens demandent véritablement le départ de, de, de, la force Barkhane mhm. ou des bases militaires. Maintenant que véritablement, parce que les chefs d'État, c'est eux qui décident, ils ont décidé autrement donc nous, on voudrait... Oui, on voit que, par exemple, même euh, à, l'État, avec le nombre, donc les 600 qu'ils ont augmenté, la France demande au Tchad d'augmenter encore. Parce que simplement, en termes de communication, on comprend que, en réalité, il y a un problème. C'est-à-dire que la mhm. France n'est pas sûre ils n'est pas de gagner la guerre, donc euh, ils ont besoin d'autres renforts. Donc euh, moi je pense que le plus important, après la réunion du Pau, on a annoncé justement la coalition donc, euh, pour le G5 Sahel. Euh, franchement, on voudrait voir rapidement d'abord le premier élément, c'est qu'on voit Kidal, en tout cas l'autorité du Mali installée en tout cas au, au, niveau de Kidal, l'armée et l'administration malienne comme annoncé, on amènerait en tout cas les voies effectives. Et, je pense que c'est un des, un, des signes. On est sur la bonne voie. Mais on voudrait euh, voir en tout cas que ce soit euh, avec ou sans les, 600, nous on voudrait en tout cas voir concrètement que ce qu'on est en train de vivre, les attaques là au Burkina, au Mali, au Niger en tout cas, qu'on voit le changement. Mm-hmm entre avant Pau euh, et après Pau. Jusqu'à présent, je constate qu'on est au stade du discours. On n'a plus besoin de discours, on a besoin des actes concrets. Il faut vraiment du concret sur le terrain, Roufaï. Selon vous, est-ce que euh, la solution viendra de ce renforcement des troupes oui, pas que de ce renforcement seulement. Si vous vous rappelez, à, Pau déjà, euh, le président français avait, lorsqu'il a repris le président nigérien, et il avait aussi dit qu'il faut que les États soient euh, présents sur le terrain. Il faut qu'ils s'assument, il faut mm-hmm. qu'ils deviennent des États et qu'ils euh, apportent leur contribution euh, pour arranger cette crise. C'est mm-hmm. la même chose qu'a reprise le, le gouvernement américain quand il dit que, que ce soit la France ou les États-Unis ou ou un autre pays. Mm-hmm. Ce n'est pas à ces pays-là de, de, de, de, sauver cette partie de l'Afrique. C'est au gouvernement et locaux euh, de faire la guerre et de sauver leur propre mhm. pays. Je pense que et lorsque Macron a dit à, au Tchad a demandé au Tchad de, venir en soutien. C'est quelque part, ce n'est pas que parce que la France ne pas faire, ne pas le faire. Ça, tout le monde le sait. Sinon, on n'aurait pas augmenté le nombre de, militaires français et on n'aurait pas cherché l'aide des États-Unis. On n'aurait pas cherché l'aide aussi des, pays européens. Mm-hmm. C'est parce qu'on sait que c'est une guerre qui, qui n'est pas une guerre conventionnelle. Il faut mm-hmm. l'appui de tout le monde. Mm-hmm. Lorsque le, Sahel s'embrase, ce n'est pas que le Sahel seulement qui va souffrir, c'est toute l'Afrique, au-delà, sur le monde entier. Donc, euh, moi, j'ai l'impression que depuis IPO, on constate, on, sent un changement pas que dans le discours, mais sur le terrain aussi, puisque vous vous rappelez, et on venait ici chaque fois presque pour parler de ce qui a été fait, mm-hmm. et les attaques ici vers, euh, vers Tilaberi, les attaques vers euh, au Mali. Il y a, maintenant, on a, il y a presque un mois ou plus d'un mois où on, ne sent pas beaucoup ces choses. Oui, bon, euh, je pense que quelque part, ça, ça, ça, ça, ça, oui, ça, ça, ça diminue un peu et quelque part, c'est dû au fait que non seulement il y a euh, cette rencontre de Pau qui a, qui a jeté les bases, qui a jeté les jalons de mhm. nouvelles d'une nouvelle coopération. Et je pense que ça doit être, euh, comme l'a dit Elhaj, bien sûr, du pragmatisme, du concret sur le terrain pour que, pas arrêter totalement euh, sur place mhm. immédiatement, mais que ça prenne le départ pour que déjà le Mali, avec ce que l'accord qu'il y a eu entre euh, le gouvernement malien et les djihadistes de Kidal, de euh, réinstaurer comment ça s'appelle le pouvoir administratif à Kidal. Mhm. Je pense que c'est un pas, même si ce n'est pas suffisant, mais on va commencer comme ça et petit à petit, ça va permettre à, ces, ah à ces pays de, de retrouver et euh, voilà, la stabilité et, leur euh, pouvoir d'antan. Mais Mouna Diado, vous êtes d'avis que euh, on, constate un, changement depuis la dernière rencontre de bon, S'agissant peut-être entre la frontière Niger et le Mali, mhm. là, on sent qu'il y a moins aujourd'hui euh, d'attaques terroristes, c'est vrai, mais ça continue entre la frontière du Niger et le Burkina, Faso. En fait, c'est là-bas aujourd'hui que les choses se sont tournées. Mais bon, je pense que également le fait euh, d'envoyer 600 hommes euh, aujourd'hui Barkhane, de renforcer la force Barkhane, ça ne pourrait pas dire aussi que peut-être que euh, ça va stabiliser nos frontières. Mhm. Nos frontières. On a beau amener Barkhane, on a beau armer ses forces, je pense qu'il faut tout simplement aller vers une stratégie de combat, mhm. de lutte. Et il faut d'abord stabiliser la région de, du Mali, en fait, mhm. pour pouvoir venir à bout de ces terroristes. Mhm. Parce que quand on regarde, c'est la, c'est le, fait que le Mali n'est pas stable aujourd'hui, que les choses sont en train de se propager vers le Burkina, mhm. vers le Niger, la frontière, et également quand on regarde euh, la Mauritanie, la frontière entre Mauritanie et le Mali aujourd'hui, mhm où euh, il y a eu des militaires aussi qui, qui étaient euh, vraiment euh, tombés la semaine passée. Et je pense que également, quand on dit qu'on a besoin de ces forces, qu'il faut également renforcer le Tchad. La France a demandé au le Tchad, oui. oui, de, de, renforcer également ces 600 hommes, de s'ajouter à ces 600 hommes. Je mhm. pense que aujourd'hui, c'est ce que les populations du Sahel décrient, c'est que personne ne peut venir aujourd'hui nous sauver de cette situation. C'est uniquement nous autres population du Sahel. Les militaires, là, il faut qu'on croie à ces militaires, à nos militaires, que nos militaires sont aujourd'hui capables de faire face à cette mhm. situation. Il suffit tout simplement de leur donner, en fait, euh, une possibilité à ces forces militaires-là euh, d'être véritablement sur le combat mm. et dans le combat. Et aujourd'hui, quand on regarde aussi, il y a quelque chose que le G5 Sahel avait demandé et nos leaders avaient demandé, c'était bien sûr de mettre euh, le G5 Sahel dans les, le chapitre 7 des Nations Unies. Ça aussi, on l'attend, on espère que ça peut aboutir et que ça peut euh, véritablement aller vers un changement. Oui, oui, Moi, je, ne comprends pas. Hein. On dit, on veut que les pays africains et euh, Mais quelque part, vous, ne sentez, vous sentez rarement euh, la CDAO, vous sentez rarement moi Je ne sais pas ce qu'ils font. Euh, surtout la CDAO qui est une union qui a mhm. fait ses preuves. On ne, on ne mhm. la sent pas dans cette mhm. histoire de Sahel. Et peut-être qu'ils vont contribuer dans l'avenir, on ne sait pas. Mais lorsque, lorsque on, tend toujours la main vers la France et que demain encore on retourne pour insulter la France, alors que quelque part, nous, les pays voisins qui sont là, avec lesquels on commerce beaucoup, avec lesquels on échange beaucoup, ne font rien. Moi, mhm. je me demande ce qu'on veut et, à fin de compte. D'accord, merci à vous. Le Niger, selon le dernier rapport de l'ONG Transparency International, enregistre dans le cadre de l'indice de perception de la corruption 2019, la note de 32 sur 100 et est classé 120e sur 180 pays. En 2018, le pays, je vous rappelle, a enregistré 34 points sur 100 et occupait le 114e rang sur les 180 pays. À ce sujet, je vous propose d'écouter euh, Maman Wada, il est le président de Transparency International. Niger au niveau de l'Afrique, euh, très peu de pays ont fait beaucoup de progrès. Pour le, cas du Niger, nous dirons que malgré les efforts qui sont fournis, efforts institutionnels, c'est-à-dire il y a beaucoup de services de plus en plus qui sont dédiés à la lutte contre la corruption, il y a euh, des textes qui sont de plus en plus euh, corrigés, réformés, n'est-ce pas, pour une meilleure lutte contre la corruption. Il reste que la corruption est endémique. Cela veut dire qu'il n'y a pas mise en œuvre de ces textes là C'est là où le, bas blesse. Et, ces institutions, elles existent, mais elles ne travaillent pas au fond, à leur capacité, parce qu'elles ne disposent pas des moyens, des ressources nécessaires, n'est-ce pas, pour parcourir le pays, pour éplucher des dossiers, pour aller vers euh, à l'extérieur, parce que la corruption est souvent transnationale. Il faut aller ailleurs pour retrouver les traces, n'est-ce pas, des fonds qui sont déposés dans, souvent dans les paradis fiscaux ou dans d'autres banques, ainsi de suite. Donc ces institutions n'ont pas suffisamment de moyens, elles ne sont pas dotées de moyens pour travailler et les lois ne sont pas appliquées. Et pourquoi les lois ne sont pas appliquées euh, euh, L'obstacle majeur chez nous, c'est des considérations politiques. Et souvent, on a du mal, n'est-ce pas, à, engager des poursuites et à combattre le phénomène. Or, tant qu'il n'y a pas de répression du phénomène, évidemment, la corruption va s'amplifier elle va bloquer la lutte contre la pauvreté et mieux, elle va même aggraver la pauvreté. Je reviens dans ce studio. Roufaï, quelle analyse faites-vous de, ce, de cette intervention et du classement en général je pense que déjà ce n'est pas étonnant. Euh, le classement du Niger, en plus, ce que euh, Maman Wada a dit c'est tout à fait normal. Tout est lié à la politique, mm. au-delà, de tout ce qu'on peut dire. Aujourd'hui, quel qu'en soit ce qui se passe quand vous partez de l'administration, euh, il faut, il faut, il faut, il faut, comme on dit, glisser quelque chose, pas seulement dans l'administration publique, même dans le privé. Aujourd'hui, c'est généralisé. On, on, se rend de plus en plus compte que c'est devenu presque banal. On a banalisé ça et on peut le faire devant tout le monde et rien ne se passe. Et quand vous partez pour chercher du boulot, euh, ce que vous que, que tu dises je viens de j'ai lu quelque, quelque part quelque chose quelqu'un qui disait mieux vaut avoir un bon numéro que d'avoir un master <laughs> donc <laughs> donc ça résume c'est la corruption partout hein. donc vous voyez ça résume tout quoi quand tu as mm-hmm. un bon numéro quand tu as un bon contact, c'est mieux que d'avoir un, master en bonne et due forme et que tu as eu euh, avec, euh, comme on dit, euh, la sueur de ton front. Mhm. Pourquoi Parce que ton master, personne ne va le regarder. On va, on va te dire que tout le monde a un master aujourd'hui. Mhm. C'est ce que les gens disent, tout le monde a un master. C'est vrai, tout le monde a un master, même si tu l'as eu n'importe où, un master égale master. Euh, ou une licence égale une licence. Quoi. Ce n'est pas ça le problème. Il faut donner peut-être la chance à tout le monde pour voir ce que chacun peut faire. Mhm. Mais lorsque tu viens et que tu n'as personne qui, qui t'envoie chez X ou chez Y, mhm. et, donc tu as des difficultés d'abord à être reçu. Et quand tu es reçu, à peine on, te reçoit, à peine on, t'écoute. Si on t'écoute, c'est juste pour, pour dire qu'on ne t'a pas reçu. Donc je pense que ce que Maman Wada a dit, et a beaucoup son sens et mhm. sur un tout autre plan, sur le plan eh, hautement sensible. Eh, par exemple, si on prend ces derniers temps, il y a cette histoire de, du ministère de la Défense, de tout ce qui s'est passé. Vous voyez, il y a beaucoup de, eh, de connexions il y a des choses qu'on ne peut même pas comprendre. Les gens ne font que spéculer. Mm-hmm. Il faut aller ailleurs, comme il a parlé de, des choses transnationales. Mm-hmm. Il faut quitter le Niger, aller faire des mm-hmm. investigations. Est-ce que le Niger a les moyens pour le faire Un, deux. Est-ce que le Niger a la la, volonté de le faire parce que lorsque ça ça touche beaucoup de, de, personnalités du mhm, pays. Voilà, vous voyez, on ne peut pas le faire. Moi, je pense que et ce n'est pas étonnant le classement du Niger. Mhm. Les associations qui ont été mises en place, comme la Alcia ou autres, il y a des botox qui sont là, mais elles ne sont pas appliquées parce que lorsque ça touche une, grande une grande pente du régime, ou euh, un baron de la mafia, on ne le touche pas. Vous voyez, il y a beaucoup de choses mhm. malheureusement qui sont là et qui font en sorte que... Malheureusement, ça freine le bon développement. Bien sûr, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, ça va continuer. Et malheureusement, les graves conséquences, c'est la pauvreté qui, mhm. continue. Et c'est ce même argent qui doit être, par exemple, mis dans l'éducation, dans la santé, dans les, services sociaux ne sont, pas, ne sont pas eh, injectés. Conséquence, c'est le manque d'éducation, c'est le manque de santé avec son corollaire de, de mort et, et, l'éducation qui est terre. Bref, vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de connexions qui sont là et qui malheureusement freinent le développement du pays. D'accord. El Haj Suleiman, euh, qu'est-ce qui, selon vous, qu'est-ce ce qui fait que cette situation de corruption ne fait qu'empirer d'année en année ici au Niger euh, on, quand on considère, quand on considère le, rang du Niger, euh, ça évolue euh, en dents de Ces dernières années, ça chute, ça, ça, mhm. donc, la raison, c'est que cette année, vous savez, le rapport de transparence, l'accès est mis sur le rapport entre l'argent et la politique. Et vous voyez, c'est une brillante actualité dans nos pays. En ce qui concerne notre pays, euh, vous conviendrez avec moi que les alliances politiques euh, constituent une véritable menace à la bonne gouvernance. Mhm. Parce que simplement un président élu par euh, le peuple est pris en otage par ses alliés. Vous faire une politique volontariste pour mettre en avant l'intérêt général lorsque ça frise les intérêts politiques d'un allié, il va vous dire que non, monsieur, je vais vous mettre en cohabitation, donc faites ce que je veux, pas ce que vous voulez faire pour le pays. Mhm. Et ça, c'est une réalité. On n'a pas besoin de faire vraiment un dessin pour que les gens puissent le voir tout le temps. Cela, au-delà de, de, de, cette, euh, de cette gouvernance, tous les régimes qui sont succédés, effectivement, on se rend compte que les alliances politiques euh, euh, constitue véritablement un obstacle parce mhm. que les alliés s'entendent pour partager le gâteau entre eux au mhm. détriment de, vraiment du peuple. Mhm. Donc ça c'est un aspect. Et l'autre euh, euh, élément, c'est l'impunité. vous savez, en réalité, qu'on le veuille ou non, les gens font référence au régime de Kuntier, non pas parce que constitue un modèle démocratique, mais parce que il y a un principe qui fait que l'impunité n'est pas acceptée. Il y a plus que, de répression. Que, tu sois autant de Kunti, que tu sois son propre frère, on a vu effectivement, la l'habitude de prendre ses propres frères. Nous, on était au collège avec les enfants d'un de ses frères, en tout cas. C'est-à-dire que ici, l'impunité, philosophiquement parlant, la vocation de la loi au bien de la justice, c'est même de prévenir. Mhm, mhm. Lorsque vous voyez que quelqu'un a commis une forfaiture, il n'a pas été puni, vous avez tendance à faire ça parce que qu'est-ce que ça fait On l'a pas puni. vous mhm. voyez, dans ce pays-là, je pense que euh, c'est ce que nous constatons, en tout cas, une raison euh, rationnelle, en tout cas, le fait que le phénomène euh, s'aggrave, c'est parce qu'il y a une impunité qui ne dit pas son nom dans ce pays. Les gens font des choses connues, ils ne sont pas sanctionnés. Et tout le monde a tendance, effectivement, ça fait un effet d'internement. Je pense que pendant que l'État, le président de la République, parce que c'est lui qui appelle sur le courant, en tant que croyant, celui que doit avoir euh, des comptes. de mhm, compte pas, pas, pas, X ou Y. Celui qui a sur le Coran, ce qui, celui qui a en tout cas l'arme qu'il faut mhm. pour freiner ce phénomène. En tout cas, on ne peut pas admettre dans un pays où tout est prioritaire, en tout cas comme le Niger, l'accès à la santé, l'accès à l'école. Aujourd'hui, notre premier sujet, sur l'université. Un milliard, il l'a dit. Facilement, euh, on peut régler ça. Donc, c'est-à-dire que véritablement, euh, il faut en tout cas freiner la tendance actuelle et les choses vont marcher. Mhm. Mais si on ne fait rien, euh, j'avoue que vous savez, en fait, la, vérité, c'est qu'on constate en Afrique, pas seulement dans notre pays, quand les opposants viennent au pouvoir, au lieu de faire euh, régler le, compte de la, gouvernance passée, mhm. euh, on a peur effectivement de ce qu'on va peut-être faire. Vous voyez, un peu partout quand vous regardez, quand les gens viennent, on va penser que ils vont, ils vont faire, euh, euh, en tout cas, euh, les inspections, de, en tout cas, pour vraiment épurer le, passé. Mhm. Mais ce n'est pas le cas parce que tout simplement, les gens viennent avec l'idée de faire la même chose que les autres ont fait. Mhm. Donc, bref, moi, de mon point de vue, pour, pour, me, pour me résumer, il y a l'impunité, il y a cette question d'alliance politique. Et ça, j'ai dit, c'est assez profond que pour qu'on puisse freiner cela, vous voyez aujourd'hui dans notre difficulté, pour accéder au pouvoir, aucun parti politique ne peut compter sur sa force pour, avoir <laughs> non seulement euh, le président, mais aussi avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Mhm, mhm. Il faut des alliances maintenant. que faire faut-il maintenant consacrer les élections à un tour euh, Vous voyez, c'est assez compliqué. Donc cela veut dire qu'il va falloir euh, vraiment qu'il y ait des, veilles, en tout cas, qu'il y ait une union sacrée, en tout cas. Je pense que le, président a initié, je crois, des réformes de la Constitution mhm, mhm. pour que, par exemple, désormais, euh, la question de, blanchiment d'argent, l'immunité, quand un député, en tout cas, est dans une affaire de trafic d'argent ou bien de blanchiment d'argent, on n'a pas besoin de lever son immunité. Je pense que c'est de bonnes choses, mais on se rend compte que, franchement, le mal est profond il a dit, la corruption a un caractère endémique dans notre pays et ce n'est pas d'aujourd'hui. Il va falloir qu'au niveau, en tout cas, société civile, mhm. classe politique, une, une sacrée, en tout cas, parce que si on ne le fait pas, on ne peut pas se développer. C'est un frein, en tout cas, à notre développement. Oui, justement, tous les textes, on sait que les textes, ils sont là, mais c'est l'application. Justement, c'est l'application. il, a dit, moi, par mhm. exemple, à la, Alcia. Et vous savez, contrairement à ce que ce qu'il dit, la Alcia a initié depuis 2019, quand la Alcia a fait ses investigations, elle rend public son rapport. Mhm. Donc, quelque part, s'il n'y a pas de mise en œuvre, s'il n'y a pas de suivi, il y a en tout cas quelque part, il y a une sorte de, défaillance. Moi, je pense que ce n'est pas ce n'est pas l'application même des textes qui, pose en soi le problème, c'est mhm. la volonté politique. Lorsque la RCA finit son travail et qu'elle le publie officiellement, elle, elle a fini son travail, ce n'est pas à elle de juger. Mhm. La Alcia n'est pas juge. Donc maintenant, elle revient aux autorités publiques qui ont mis en place la Alcia, mhm. qui, ont mis qui ont fait en sorte que ces textes... voilà, de prendre à main ce dossier et de les de, faire suivre des faits. La donc je pense que à ce niveau, ce n'est pas une question d'application de texte, c'est une, une question de volonté, politique. D'accord, mais une volonté politique autant pour moi, pour vraiment... Ce que je voudrais vraiment mhm. dire, c'est que le malheur du Niger, c'est que les institutions sont reliées à la politique. C'est ça, en fait. Et aujourd'hui, la Alicia que la Alicia rende publique euh, le fruit de ses investigations et mm. autres, c'est parce que la Alicia est liée d'un côté à la, présidence. Et aujourd'hui, avec cette situation, mm-hmm. je pense qu'on ne peut pas arriver à autre chose que de garder chaque fois les mêmes rangs. Mm-hmm. Et aujourd'hui, si on veut changer la donne, parce que quand vous regardez aujourd'hui, personne n'a peur aujourd'hui de faire, de <laughs> détourner aujourd'hui les deniers publics. Personne n'a peur. Malheureusement, quand on regarde, il y a certains ministres aussi qui sont impliqués mhm. dans ces détournements, mhm, mhm. qui sont impliqués aujourd'hui dans des corruptions, qui sont impliqués dans les, les, les, problèmes de, de concours et aujourd'hui qui ne sont pas sanctionnés. C'est comme l'a dit euh, l'impunité. Voilà, c'est ça en fait. On crée des institutions, mais on ne laisse pas ces institutions aller jusqu'au bout de leurs investigations et de châtier c'est responsable de détournement. Donc, c'est un peu ça qui bloque. Le malheur, je l'ai dit, mhm. les institutions, on devrait les, on devrait les libérer de certaines choses, de certaines pratiques, et pour qu'on puisse aller véritablement. Mais si on garde c'est la même chose et qu'un autre gouvernement revient, ça sera la même, chose qui va continuer, mm-hmm. la même situation, parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait qu'au Niger, chacun est impliqué dans des faux euh, dossiers et autres, euh, donc, euh, de détournement de dernier public. De, quand on regarde, de, je reviens, excuse-moi, <laughs> mais en fait, il faut situer les choses. Quand on regarde les régimes qui se sont euh, les régimes qui se sont succédés et, jusqu'à ce régime, mais il y a des dossiers jusqu'à présent qui attendent, qui souffrent aujourd'hui. Mhm. Et, et personne ne sait. Est-ce que ça va aboutir Quand est-ce que ça va aboutir Mais au lieu de s'y faire et de régler les choses, on continue encore dans... oui, oui, les dossiers. C'est ça en fait. Preuve, rapidement, preuve que ça ne va jamais changer au Niger. Imaginez ou regardez, on est le seul pays où un candidat de la à la présidentielle a été déclaré par la Cour constitutionnelle comme étant, euh, je ne veux pas utiliser des, gros termes, mais inéligible, comme étant mm-hmm. euh, mauvais, qui n'est pas bon, qui, qui, qui, qui, est traité de tous les noms d'oiseaux, mm-hmm. mais on le laisse se présenter aux élections présidentielles après, quand il y a eu des élections, on le nomme ministre une fois, et le GAF, on le remplace, on le nomme ministre une autre fois. Donc, vous voyez, c'est ça le Niger, quoi. Mhm. Donc, c'est la preuve que on ne va pas changer, on ne veut pas changer et on va continuer comme ça. Euh, je ne suis pas aussi pessimiste que ça, Non, avec la volonté politique, on peut changer les choses. Non, non, non, non, Je, pense que, quand tu dis on va jamais, on va, on va jamais changer. On espère bien vraiment. Donc je pense que ça va, ça va venir. Parce qu'en fait, l'impunité, c'est un moment. Parce que je pense que euh, l'histoire est dynamique. Si aujourd'hui on n'a pas réglé certains comptes, on espère bien que demain une autre équipe, une autre gouvernance sera là. Effectivement, à ce moment, les gens comprendront de la laisser effectivement de nettoyer les écrits de jazz. D'accord. <laughs> Donc on espère, voilà, on espère bien qu'avec une bonne volonté politique, qu'on arrive à un Niger sans corruption. Alors nous allons marquer une petite pause avant de poursuivre ce débat. terminons avec du sport. Le président de la FIFA a plaidé pour que la Coupe d'Afrique des Nations ait désormais lieu tous les quatre ans. Une canne organisée jusqu'ici tous les deux ans. Il évoque des raisons économiques. Roufaï, le spécialiste en euh, <laughs> questions sportives, que comprendre de cette demande du président de la FIFA Je pense que ce sont des, des bonnes propositions que Infantino a faites et puisque c'est dans le lot de beaucoup de propositions qu'il a faites qu'on a tiré cette histoire de, de Coupe d'Afrique pour quatre ans. Pourquoi Parce que dans son analyse, il dit que la canne qui se joue chaque deux ans, donc mm. deux, deux cannes en quatre ans, pendant que l'Europe joue euh, une Coupe d'Europe tous les 4 ans. Euh, Coupe d'Europe tous les 4 ans, il Coupe du Monde tous les quatre ans. La Cannes génère euh, moins de 1 sixième de ce que, par exemple, ça peut rapporter à l'Europe. Mm. Et quand il a parlé des, situations économiques, quand il a parlé aussi des stades, et l'Afrique est le seul continent où rares les pays où vous pouvez avoir un stade en bonne et différente, un stade qui, qui, qui, peut abriter des grands matchs. Donc, mm-hmm. je pense que quelque part, et c'est bien, mais moi je pense que ce n'est pas ça le problème du football africain. Le mhm. problème du football africain, c'est comme pour moi, c'est comme le problème de la gestion politique de la cité en Afrique. Mhm. Les gens sont corrompus. Les gens ne pensent qu'à eux quand ils viennent pour gérer le football. Quand vous prenez les présidents des fédérations africaines, ils ne viennent pas pour faire et, eh, eh, évoluer le football. Mhm. Ils viennent pour se remplir les poches. C'est la même chose en politique. Donc, je pense que ça va de pair. Peut-être que l'analyse que Infantino a faite, c'est une analyse qui, qui sied à, à des pays comme l'Europe, pas à mhm. des pays comme l'Afrique. C'est bien qu'on change parce mhm. que aujourd'hui il n'y a qu'en Afrique seulement où on joue la Coupe d'Afrique tous les, tous tous les, tous les deux ans, une compétition continentale. Et en Amérique du Sud, on joue tous les trois ans. En Europe, on joue tous les quatre ans. En Asie, mhm, mhm. même si en Asie, le football n'est pas développé. Mais quand vous regardez en Afrique, euh, avant, on jouait en janvier. En janvier déjà, ce n'est pas, ce n'est pas bien. Tous les clubs en Europe jouent leur compétition et on prend les joueurs africains et reviennent encore pour jouer la Coupe d'Afrique. Vous voyez, pendant que d'autres jouent en juin, en juillet, quand la saison est finie. Je pense que eh, il y a une analyse profonde à faire, à faire du football africain pour qu'on puisse et sauver le football africain mhm. pour qu'on puisse faire générer de l'argent au football africain, mais euh, que cet argent aussi, lorsqu'il sera généré, ne, ne, soit pas laissé à, aux seules personnes des présidents qui vont les bouffer. Par exemple, quand vous prenez le, au Niger, tout l'argent qui a été investi par la FIFA et par, les, mhm. par, par, d'autres canaux, on, ne sait pas où ça passe. Donc, c'est un des cas parmi tant d'autres. Et presque tous les pays africains, c'est ça le problème. Et donc, en conclusion, cette proposition du, du, du président de la FIFA, elle est la bienvenue Oui, elle est, elle est bien, elle est bien, mais il faut aller en profondeur. Merci à vous et c'est sur ces mots de sport que prend fin cette euh, émission, le forum de la presse de cette euh, semaine. Merci à nos invités d'être venus et à la semaine prochaine. Nous étions avec euh, Mahamadou Souleymane il est le directeur de la rédaction du journal en ligne Niger Inter. Merci d'être venu. Memouna Diado, journaliste à la radio et télévision Tambara, merci. Et Rufai Dandoua, freelance, merci à vous. Je vous rappelle le rendez-vous hebdomadaire du programme des jeunes demain samedi et dimanche dès 17h avec l'actu des jeunes en cinq langues suivi de tout à FADA et à partir de 18h15 samedi et dimanche le forum. Merci à vous et au revoir.